Et là je Moussa Seck lan est ce problème son problème c'est que ñun ay immigré Le passeport bu ñuy au Sénégal c'est suñ carte d'identité au niveau de l'étranger donc est c'est passeport biométrique en tant que passeport biométrique l'autorité autorité sénégalais faites def bu fekkee ne mënuloo ciy wote man xam ñun immigré war passeport ou carte d'identité parce que j'ai ma carte électeur yàgg naa il y a dépouiller tay ñu ne ma doo wote parce que j'ai perdu ma carte d'identité parce que carte d'identité nationale ñun fii lañ ko utiliser bariwul suñ passeport la ñuy utiliser ñi nekk Sénégal bu leen doon laaj ñu wote ak passeport duñ wote ñu ci bari parce que la majorité amuñ passeport carte d'identité la yam ndax moom lañ soxla foofu ñun kii mooy suñ carte d'identité donc war naa war a mën a wote ak lii fii France boo yoree sa passeport même boo amul carte électeur da ngay wote parce que ci euh, registre bi sa tour mu ngi si ce tour la ñuy qui ci biométrique la ñom ñoko défar bu fekkee né passeport bi nak c'est faux baxul ñu wax ko nit ñi dama bëgg ñu bayyi ñu xel ñun xamné passeport moy suñu kayit biñu gëna fonk carte d'identité au niveau du Sénégal lañ ko utiliser mais fi carte d'identité amalul ñu jëriñ passeport moy li mënul ñàkk. bon parce qu'on m'a empêché de voter parce que j'ai mon passeport et j'ai perdu ma carte d'identité nationale et nous les immigrés on est privilégié le passeport. Parce que la carte d'identité nationale, uniquement au Sénégal, c'est là-bas qu'on utilise les cartes d'identité. Mais ici, la carte nationale n'est pas valable. Moi, j'ai ma carte d'identité, j'ai ma carte consulaire, donc on m'a empêché de voter. Et ici, en France, ça suffit uniquement d'avoir le passeport pour voter. Parce que votre nom est sur la liste électorale. Donc ça, c'est le passeport biométrique. C'est valable, c'est le Sénégal qui ont fait. Si ce passeport n'est pas valable, on nous dit ça. Parce que nous, on utilise le passeport puisque le carte d'identité. Donc on doit nous permettre quand même, prochaine fois, passeport ou carte d'identité. C'est ça que je voulais vraiment vous euh, dire pour que vous relayez ça euh, sur le code euh, électoral, si il peut rectifier cette structure-là. Parce que vraiment, il y a beaucoup qui est comme moi qui n'ont pas voté. Merci. et de rien.